Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya al mursalin. Euh, la quatrième question vient du frère Aboudou Dene au Gabon. Qu'est-ce qu'il dit Assalamu alaikum, je suis burkinabé vivant au Gabon. Ma question est la suivante. Quand on rentre en contact avec un cadavre, euh, ça peut annuler l'abolition. Prendre en contact, être en contact avec un cadavre. Effectivement, euh, je ne vois pas pourquoi, parmi les anniversaires de l'abolition, ne figure jamais les contacts qu'on a euh, avec, le cadavre. Voilà, si on est en état euh, de, pureté, d'abolition, et qu'on veut laver le cadavre, en ce moment, si on finit, ce qu'on peut faire, ce qui est conseillé dans la, religion, c'est faire la, grande abolition. Ça ne veut pas dire que le cadavre nous a sué. Non, le cadavre ne nous a pas rendu impropre. C'est parce qu'en Afrique, ici, on a trop vénéré. On a, une chose comme ça envers les cadavres. Non, le cadavre, c'est une personne qui a, qu'on a ôté seulement euh, une partie. C'est-à-dire l'esprit qu'on a enlevé, c'est l'âme qu'on a, on a extrait seulement du corps. C'est toujours la même personne là, on peut dormir avec lui, on peut vivre avec lui, il n'y a pas de problème. On peut le toucher n'importe comment. Mais ici, vraiment, on a diabolisé même les, cadavre. cadavres. Quand ça sort, seulement les gens commencent à fuir. Donc on a lié ça c'est-à-dire euh, peut-être à des fausses divinités dans le passé. Mais maintenant, avec l'islam, alhamdulillah, ça ne doit pas exister. Donc, prendre contact avec un cadavre, ça n'annule pas la prière. Voilà. Mais si tu finis de le laver, le prophète dit de faire le, grand lavage. Alors, c'est ça, la sunna. Ça ne dit pas forcément qu'on a perdu, en tout cas, sa pureté. Non. Qu'Allah nous assiste.